Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord tout simplement à remercier toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne. Vous êtes au nombre de 15 000. Nous avons eu à réaliser 1 900 000 vues sur YouTube, ce qui n'est pas petit. En tout cas, notre chaîne Niamey Dream Team fait partie des chaînes top numéro 1 sur YouTube. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui continue à s'abonner sur notre chaîne, qui regarde nos vidéos. Merci énormément à vous. Grâce à vous, nous sommes connus. Grâce à vous, on s'est fait des amis. Grâce à vous, certaines portes se sont bien évidemment ouvertes pour nous. J'aimerais commencer. Certaines portes se sont vraiment ouvertes pour nous. Si vous remarquez, ça fait un certain temps que RCG Vidéo ne répond pas à quoi. Parce que la plupart du temps, on a, bon, ça fait quelques années que Dara remarqué, ça fait un certain temps que on ne fait plus de vidéos, en tout cas on ne partage plus de vidéos avec vous. Excusez-nous pour cela. Donc personnellement j'ai décidé d'entreprendre une série de vidéos qui va vous plaire certainement, qui va vous aider à démarrer votre business, qui vous apprendra comment créer sa propre entreprise. Avec quelques six ans d'expérience que j'ai fait à travailler pour une entreprise privée, je pense qu'il est temps pour moi de partager mon savoir-faire avec vous. On peut se faire de l'argent sur Internet, on peut se faire de l'argent tout simplement à Niamey aussi et même dans les autres vues Tout dépend de l'activité que vous êtes en train de faire. Donc, c'est des séries de vidéos qui vont sortir certainement bientôt. En tout cas, j'aimerais faire chaque, j'aimerais essayer de partager avec vous chaque deux jours une nouvelle vidéo pour ne pas que la chaîne soit vraiment sans contenu. En tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas publié de contenu. Merci à tous. À très bientôt. Mon nom c'est Rafiou Moussa. D'autres m'appellent Rafiou Produsa. Vous pouvez tout simplement m'appeler Mister RP. Voilà. Merci et à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes nombreux à attendre nos vidéos. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Chaque fois que je regarde les statistiques, on a au moins 100 vidéos, 100 personnes qui regardent nos vidéos c'est vraiment énorme. Si vous regardez de 8h à 23, de, en tout cas dans les 24 heures, on a au moins 200 vues. Merci pour ces personnes-là qui cherchent à vraiment savoir si on existe bel et bien. J'aimerais vous rassurer que c'est le cas. Nous sommes toujours là. Bientôt, je vais inviter peut-être Ismaël, peut-être Rachidi, peut-être Rasta. En tout cas, toutes les personnes qui seront disponibles je vais vous les inviter. Ensemble, nous allons essayer de parler de business. Parce que le temps, on a regardé les vidéos, on a rigolé. Songo, Borem, Mingay Bonchich. Ciao, ciao.